le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau forum du studio Kalangou. C'est un espace d'échange et de débat que vous propose le studio. Aujourd'hui, le forum est consacré à l'actualité de la semaine. Avec nous ce soir, Maman Diafar, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus. Diafar, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Sidikou Ousmane, journaliste au groupe de presse Labari. Ousmane Sidikou, bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre notre troisième invité, Murtala Mamadou Issa du journal La Griffa. Alors, quatre thèmes pour le forum de ce soir. Nous allons dans un premier temps en parler de la signature des accords de paix entre la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme du 14 juin du Nord au Mali sous l'égide du Premier ministre nigérien Brigitte Rafini. Ensuite, le bras de fer du le bras de fer Saint-Famed gouvernement à travers le ministère de la Santé. Et puis l'insécurité au plan national avec la récente attaque armée de la commune de Banibangou euh, qui a malheureusement malheureusement deuil des familles et le forum de la paix de la région de Tawa euh, du terrorisme international avec l'attaque sanglante de Nice en France et la tentative de coup d'État déjoué en Turquie et enfin le silence de l'opposition politique euh, nigérienne. Alors, le premier thème euh, de ce forum traite euh, de la déclaration dite de Niamey, euh, signée entre les groupes armés qui disputent le contrôle de Kidal sous le guide du Premier ministre nigérien Brigitte Rafini. Alors, est-ce que, Jafar, je, m'adresse vers vous, je, Jafar, est-ce qu'on peut dire que cet accord s'est éclaté à Lambeau avec l'accrochage d'hier soir entre ces groupes armés à Kidal? Bon, euh, je pense qu'il faut un peu partager euh, les avis, croiser les, les, arguments pour savoir réellement est-ce que ce, ce euh, on peut dire c'est la conséquence d'un désaccord aussi spontané après l'acte officiel de Niamey. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous suivez l'architecture de, de ce genre d'accord entre belligérants, ce qu'il y a toujours des forces qui veulent s'affirmer. À chaque fois qu'il y a accord, si vous avez suivi l'évolution euh, des, différentes, assises entre cette, cette composante malienne euh, au niveau d'Alger, vous saurez qu'à chaque fois que les grands belligérants, si on peut les appeler, ou du moins les grandes composantes des belligérants, se retrouvent pour signer un accord, il y a des petits foyers qui s'aliment. Pour montrer une manière, euh, on le constate généralement dans le, dans le conflit, c'est des, des, petites forces ou des fractions euh, qui, de mécontentement qui essaient de montrer qu'ils sont présents et qu'il faut compter avec eux. Une manière de dire qu'ils ne sont pas euh, d'accord euh, et qu'il faut compter avec eux. Donc on peut, pour l'instant, je pense, on peut dire que il y a toujours ces, velléités, même si euh, dans le cas actuel, ils n'ont pas affirmé que euh, sont rentrés en action tout simplement parce qu'ils sont qu'ils sont mécontents. Alors, Yafar, est-ce que cet accrochage d'hier n'est pas la conséquence du Hajj Gamou qui n'était pas à Niamey? et euh, qui, qui, qui est très influent aussi euh, dans le normali plus précisément. Oui, jusqu'à jusqu'à ce que le ce que le se reconnaît à travers cet acte. Je pense qu'on peut toujours euh, dire que c'est la conséquence d'un désaccord latent, peut-être entre certaines, certains ténors de ces mouvements-là qui estiment ne pas être associés dans le conflit. Et la manière de réagir, c'est toujours sur le terrain pour montrer que nous, nous constituons une force, même si diplomatiquement, on ne nous a pas associés, mais nous constituons une force sur le terrain. Et c'est des réactions traditionnelles qu'on constate dans, dans ces genres de conflits. Rappelez-vous quand le Niger était en, dans la même situation au nord au nord Niger dans, dans, pendant les différentes rébellions, autant de, quand il s'est agi de, de, de, faire un accord avec euh, la transition militaire du général Barré, vous vous rappelez bien, il y a eu des groupes euh, formels qui se sont déclarés pour aller euh, du côté d'Alger pour, euh, et de Bamako pour signer l'accord. Mais après, aussitôt, on a constaté qu'il y a la naissance de certains groupes qui estiment que on les a minimisés, leur, souci n'a pas été pris, en compte et ils ont tenté de créer d'autres forces, d'autres groupes de rébellion. C'est une tradition dans ce genre de conflits mais toujours est-il qu'il euh, serait euh, très de façon diplomatique, je pense qu'il ne faut pas minimiser les forces, même si c'est des petits foyers, il faut les associer, puisqu'on est dans le cadre d'un conflit euh, armé et non d'une d'une controverse d'opinion. Alors, Ousmane Sidikou du groupe de presse Labari, est-ce qu'on peut dire que cet accord s'est éclaté en lambeaux avec l'accrochage d'hier soir entre ces groupes armés à Kidal Merci Mokhtar, merci au studio Kalangou pour euh, ce forum qui se trouve être euh, euh, ce cadre d'échange et d'idées. Vous l'avez si bien dit, nous aurions bien voulu que le cours des événements nous donne nous fasse mentir, mais malheureusement, au regard des tirs, des accrochages intenses qui ont eu lieu hier à Kidal, euh, loin de jouer les oiseaux de mauvaise augure, c'est dire que le retour de la sérénité dans cette région du Mali n'est pas pour bientôt. Et de là, euh, les accords ben, dans la déclaration dite de Niamey euh, tombent à l'eau, ce qui fait dire aussi euh, à beaucoup d'analystes des questions sécuritaires que dès le départ, c'était des accords mornés. Et la preuve... Euh, les autorités, surtout nigériennes, n'ont pas pris sur elles de ratisser large. Il est clair que euh, des partis ne se retrouvaient nullement pas à travers la signature de tel accord, vous l'avez si bien dit, euh, avec avec une des figures de proue de cette région. Qui, bien, de, est, soutenue par le, gouvernement malien. Tout, à fait. Donc, voyez-vous, l'autre père de main, c'est que là où le coach a été raté par le gouvernement malien, c'est-à-dire le gouvernement veut de facto avoir Kidal sans pour autant créer les conditions euh, pour véritablement mener en intégrant tous les différents mouvements armés pour qu'effectivement au finish le calumet de la paix soit euh, fumé. Mais malheureusement, euh, le gouvernement a mis la charrue devant les bœufs, ça a donné ce que ça a donné, mais toujours est-il que pour sauver encore ce qui peut l'être, cette fois-ci je crois que c'est une autre chance qui est donnée aux négociateurs ou bien aux facilitateurs de ratisser l'âge pour qu'effectivement toutes les parties concernées se retrouvent à travers les accords qui en seront issus. Alors, Jafar, euh, une, question. Euh, quelles peuvent être les conséquences de ce qu'il est désormais convenu d'appeler violation de ce le fait » à Kidal euh, C'est devenu maintenant une tradition de, ces belligérants-là, aussitôt après un, accord, de le violer on constate qu'il n'y a pas mieux que, en termes même de diplomatie dans ce genre de situation, il n'y a pas bien placé que les autorités euh, algériennes euh, qui ont l'habitude de gérer ce genre de conflits. Je vous ai cité au départ le, cas nigérien qui a été géré par, par euh, les autorités algériennes. et l'autre rébellion, la première rébellion qui a été aussi malienne, qui a vu le même sort qui a été géré par, la diplomatie algérienne. Et vous avez vu que depuis euh, le déclenchement des, hostilités et le processus euh, diplomatique allant dans le sens de, de repositionner les esprits au niveau du Nord Mali, vous avez constaté que à chaque fois qu'il y a accord, un semblant d'accord à Alger, sur le terrain, c'est le contraire. C'est les forces, c'est les armes qui parlent à chaque fois que de l'autre côté, euh, les langues se délient, au niveau de Kidal, c'est les armes qui parlent. Et là, il faut comprendre qu'il faut aller en profondeur. Lorsque vous vous intéressez à ces acteurs influents de, euh, à Kidal, vous ne pouvez pas, et à, à, ce qu'ils disent, leur positionnement, vous ne pouvez pas comprendre le conflit, euh, la situation de Kidal et le rapport entre les forces basé à Kidal et le gouvernement malien. Alors, euh, est-ce que vous êtes euh, euh, d'accord avec Ousmane Sidikou qui pense que les accords ont été mal négociés Mais bel et bien parce que le, vrai débat n'a jamais été touché. Que ce soit à Alger, selon mon propre opinion, que ce soit à Alger, que ce soit à Niamey ou que ce soit même les assises de Bamako, sur cette question-là, les vrais problèmes du Nord Mali et de Kidal n'ont jamais été touchés. Alors, selon Qu'est-ce qui a motivé Qu'est-ce qui a motivé euh, la rébellion, euh, l'insurrection euh, au, niveau de Kidal et qui a même explosé dans pratiquement à Gao et Tombouctou et presque dans les autres localités. Qu'est-ce qui s'est passé Mais il faut savoir les, ramifications. Quelle est aujourd'hui Quand vous écoutez les, les leaders de ce mouvement-là, c'est vrai, on dit qu'ils ont eu leurs armements au niveau de la Libye, mais quel est leur soutien diplomatique mais où est c'est la France Tout le monde sait que la France est derrière Kidal. Quand la France a décidé d'envahir le Nord Mali et de chasser les terroristes, ils n'ont jamais eu le réflexe d'aller à Kidal. Ça veut dire qu'il y a le soutien de Kidal. Tous les armements laissés par les forces euh, terroristes sont partis où Ils sont partis à Kidal. Et on a même interdit, on n'a jamais, la diplomatie française n'a jamais, et même occidentale, n'a jamais pris comme responsabilité le retour de l'armée euh, nationale, des autorités euh, de l'armée nationale à Kidal, sur l'ensemble du territoire. Alors, quelles sont, les, conséquences, les euh, conséquences de ce cessez le fait Ce cessez le fait ne peut pas aboutir tant qu'on ne pose pas le vrai problème de poser les armes, et ça, il faut que la diplomatie française s'implique dans ces débats-là. On demande aux belligérants, aux groupes armés du Nord-Mali, particulièrement de Kidal, de, s'entendre avec l'armée, euh, avec euh, le gouvernement malien, mais on ne demande pas à ces groupes armés de déposer les armes. Aujourd'hui, ils ont fait de, de, Kidal. il n'y a, pas, que les forces euh, françaises, il y a aussi les forces africaines. Euh, la, mais, les, mais les forces africaines sont au nord Mali comment Il a fallu que la France s'engage pour qu'ils viennent euh, appuyer la, la, France. Aujourd'hui, tout le problème qui se pose, sous le couvert des Nations Unies, et ils ne peuvent plus engager la guerre. D'abord, ça, c'est, c'est une des difficultés de, des armées qui sont euh, présente au Nord Mali. Mais la vraie question, c'est quelle est la position française vis -à, de la diplomatie française vis-à-vis -vis de Kidal. Si la France s'implique, si la France veut qu'il y ait un retour de paix, un désarmement de, de, de belligérants au niveau de Kidal, vous allez voir que la question sera réglée et on n'a même pas besoin d'accord d'Alger, on n'a même pas besoin d'accord de Niamey. Ousmane, d'accord. du quoi avant euh, ma question, est-ce que vous avez euh, un commentaire euh, par rapport à ce que vient de dire euh, Mamadou Jafar eh ben là, moi, je m'inscrirai légèrement en porte-à-faux par rapport à ce que Yaf a eu à avancer. Vous savez, eh, le linge sale se lave en famille, dit-on. Eh, ce sont ces mêmes euh, parties belligérantes qui sortiraient à euh, clamant sur tous les toits comme quoi il y a une certaine ingérence au regard de la souveraineté eh, dont joue le peuple et l'État malien. Moi, je me dis que l'appui de la France n'est pas à négliger dans ce conflit du Mali, mais est-ce pour autant que la France veut s'ingérer dans les affaires avant tout maliennes Hein. Donc je me dis que son appui ne serait pas euh, moindre et encore moins négligeable, mais toujours est-il que là où le coach a été raté, j'en assume euh, mes, mes propos, c'est que le gouvernement malien est en train de jouer avec le feu. C'est quoi jouer avec le feu Il a voulu mettre la charrue devant les bœufs, c'est-à-dire prendre le Kidal sans que les conditions ne soient créées pour que les parties belligérantes ne soient assises autour d'une même table de négociation. La preuve, vous avez vu, euh, il y a eu Alger, il y a eu la déclaration dite de Niamey et que sais-je encore après, il y aura toujours ce sentiment d'éternel recommencement tant qu'on ne va pas associer, tant qu'on ne va pas sentir cette pleine et nette implication de tous les acteurs. Selon vous, le, le, mari est en train de diviser pour mieux régner Effectivement, c'est ça la tendance, c'est ça même l'option voulue. C'est à deux dessein D'aucuns pense que c'est même à deux dessein que le gouvernement... Cela profite à qui eh, mais la question reste à voir, à savoir. Mais c'est là où même le coach est en train d'être carrément euh, raté. Le gouvernement malien veut euh, tabler euh, sur la politique de diviser pour mieux régner. Pour revenir à ma question, Ousmane Sidikou, quelles peuvent être les conséquences de ce qu'il est désormais convenu d'appeler violation de c'est le fait à Kidal N'ayant pas cette boule de cristal devant moi, je ne peux vous dire les conséquences, mais toujours est-il que ce que je sais, ce qu'elles seront, elles risqueraient d'être fâcheuses. Je vous assure, euh, nous, nous en avons eu l'exclusivité, l'exclusivité des images, des accrochages d'hier, mais je vous assure, c'est des tirs nourris, des échanges d'armes entre mouvements armés. Euh, vous savez, un conflit on sait que ça débute, mais les proportions inquiétantes qu'il est amené à prendre, seul Dieu nous en garde. Restez avec nous sur Studio Kalangou, notre débat continue. À présent, nous allons aborder notre deuxième thème euh, de ce forum qui est consacré au bras de fer entre le saint euh, c'est le syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Niger et le gouvernement nigérien à travers euh, cette vague de licenciement de 37 médecins à la fonction publique. Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus, quel commentaire à ce sujet? je pense que c'est une situation regrettable. D'abord, euh, euh, lorsque euh, on, on, essaye de, repositionner les, faits, on constate que le ministère, le, le, on peut dire le gouvernement à travers le ministère de la Santé, reproche à, ses agents de, l'État un certain nombre de travers. D'abord, il y a, je pense, deux principaux euh, travers qu'il reprochait à ces, à ces, à ces fonctionnaires-là. Le premier, c'est d'avoir refusé de rejoindre euh, leur premier poste, qui est une faute, euh, je pense, euh, administrative et qui dont euh, la conséquence a été un certain nombre de, de, de procédures euh, de sanctions. Le gouvernement, euh, le gouvernement nigérien l'avait affirmé à travers un point de presse. Un point de presse, justement, par, par, le, DRH, le, l'inspecteur de service du ministère de, de la, santé publique. Secondo, elle reproche euh, un, cumul de, un cumul de revenus. Il y a ceux qui ils refusé euh, certains ont, parmi ceux qui ont refusé de, de rejoindre leur poste, euh, à peu près 19, il y a ceux qui touchaient leur salaire, n'ayant pas rejoint leur poste, ils touchent leur salaire, ils touchaient leur salaire et ils touchaient deux, à peu près certains un, certains, certains deux bourses, une à deux bourses. Ça fait à peu près trois revenus. Deux bourses plus leur salaire et qui ne partaient pas. Le lendemain, le secrétaire général du Sanfa euh, a, a, démenti à travers un point de presse qu'il a, a animé. Oui, euh, l'un de l'autre, je pense qu'on n'a pas à polémiquer sur oui, c'est vrai ou faux, puisque euh, le salaire est sanctionné par, par une fiche de paye qu'on peut facilement vérifier. la même chose pour, pour la bourse le fait qu'ils ne sont pas sur le terrain aussi vérifiable. Mais moi, je dis, euh, euh, je vois un certain nombre. Il y a du social qu'il faut mettre au devant. Je pense qu'il y a un certain nombre de comportements qui ont, euh, qui ont peut-être focalisé les avis, et du côté des agents et leurs syndicats, et du côté du ministère. C'est-à-dire, ils se sont focalisés sur les divergences alors qu'au-delà des divergences, on devrait voir euh, la, présence et l'utilité de ces agents-là euh, pour euh, le bien de la santé nigérienne. Quand vous prenez les ratios, on sait que on est très loin en déficit de, de, médecins, ce qui fait qu'on aurait dû prendre des sanctions, mais des sanctions peut-être de façon graduelle et des sanctions qui ne puissent pas aller au, fond, même si on estime que la faute est connue, mais compte tenu du contexte social, on devrait euh, prendre en charge le besoin de ces Ces fonctionnaires ont été euh, formés sur euh, le, fonds propre de l'État, l'argent du contribuable. On ne peut pas le, remercier comme ça quand on sait que directement, on sait là où ces agents-là peuvent être déployés. Ousmane Sidikou du groupe de presse Labari, bras de fer Saint-Famed gouvernement, quel commentaire le mot est lâché, bras de fer entre le ministère de la Santé publique et le Symphamed. Moi, je crois que dans cette histoire, chacun voulant tirer la couverture de son côté, il faut que la poire soit divisée en deux. D'une part, le ministère qui, pour certains, est euh, vite allé en besogne en radiant 19 euh, médecins. 37. 37, euh, si je, excusez-moi, qui pour beaucoup sont même, pour certains, pratiquement en fin de spécialisation. Et moi, je crois que il est parti d'une manière forte. Il aurait dû quand même abstraction faite de ce qui leur est reproché, de trouver vraiment euh, la sanction qui est, mais de là à les radier. À l'instant, Diaf en a parlé. C'est avant tout euh, des médecins spécialistes dont euh, les populations en auront besoin, l'État lui-même en aura besoin, car nous sommes loin des normes de l'OMS en matière du, du, ratio requis, nombre d'habitants médecins. Mais toujours est-il que du côté du saint moi je crois que il y a une approche l'un de l'autre, je dis, chacun voulant tirer la couverture de son côté, moi je crois qu'ils n'ont d'autre choix que de se rasseoir sur cette table de négociation et que des concessions de part et d'autre soient faites. Car est-il que, toujours est-il que euh, le, Saint-Famène montant sur ses grands jeux faux, pour lui, le point de presse des responsables du ministère de la Santé, il y a des non-dits. Pour le ministère de la Santé publique, le, le Saint-Famène a péché en voulant, comme euh, comment on appelle, euh, couvrir euh, ce qui ne devrait pas l'être. C'est pour ça que je dis que concession se doit d'être faite euh, de part et d'autre et non d'autre chacun de se rasseoir sur cette même table de négociation pour trouver un dénouement heureux car il est clair que dans ce bras de fer-là, c'est les populations qui vont en payer un lourd tribut. Euh, déjà, il y a souvenance des mouvements aussi bien du saint que des médecins, des médecins spécialistes. Nombreux sont nos parents qui, qui, qui, qui, qui, sont laissés à leur propre sort dans les différents centres hospitaliers. c'est du si on vous permet de juger, selon vous, qui a tort, qui a raison, entre le gouvernement et le saint C'est ce que j'ai dit à l'entame de mes propos. Moi, je ne verserai pas dans cette euh, polémique de qui a tort, qui a raison, mais toujours est-il que j'ai comme l'impression chacun veut tirer la couverture de son côté. Donc, euh, loin de verser dans cette polémique-là, j'ai dit et je maintiens qu'ils n'ont d'autre choix que de se rasseoir sur une même table de, négociation, car à la longue, le gouvernement risque de s'attirer sur le dos, euh, d'une part, les médecins spécialistes, de l'autre, le, le saint se mettre dans cette posture inconfortable, euh, comme qui dirait entre le marteau et l'enclume. Donc je crois qu'ils n'ont d'autre choix que vraiment de privilégier le dialogue euh, pour trouver un dénouement heureux à ce bras de fer qui, d'ailleurs commence à, avoir des répercussions aussi bien euh, dans les centres de santé que dans d'autres secteurs ou bien d'autres services de la santé. Mohamed Gaffard, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus, selon vous, qui a tort, qui a raison euh, je pense que le, euh, moi, en suivant le, les deux versions, j'ai comme l'impression que chacun a euh, une part de vérité et a aussi une responsabilité de fautive. Quand vous prenez le ministère de la Santé, c'est après, vous avez, il y a eu un comité qui a travaillé en suivant l'inspecteur le, de service et les DRH il y a eu un comité où les médecins et leur syndicat, et le, ministère étaient impliqués dans le comité. Et il y a eu un travail préalable. Et il y a eu des entretiens avec les médecins qui ont tous affirmé qu'ils sont disponibles à aller sur le terrain. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'ils ont euh, omis de dire que oui, nous sommes disponibles, mais entre-temps, nous sommes des étudiants, nous sommes en spécialisation. Et il faut peut-être nous laisser la marge d'aller jusqu'à la fin de la, de, de la période de la spécialisation et nous programmer tout juste après la formation. Ce qu'ils n'ont pas fait, puisqu'ils veulent être euh, recrutés, euh, ils ont voulu avoir le, euh, comme on dit, le deux, les deux options avoir le matricule et en même temps finir les études. Le beurre et l'argent de beurre. Merci, c'est du coup. Mais de l'autre côté, là où j'incrimine le ministère, comment vous... Euh, l'administration, je pense qu'elle a toute une organisation. Quand on dit DRH, ça veut dire qu'on a, on a une politique de ressources humaines. On a une relation, une collégialité entre le, ministère de la Santé, qui est, qui, euh, euh, qui est en, charge le fonctionnaire de la santé, et la fonction publique qui a en charge le, le fonctionnaire de l'État. Comment vous engagez les gens sans avoir au préalable Et c'est le travail des inspecteurs des services. Comment ils n'ont pas pu faire tout ce travail-là <coughs> découvrir toutes les insuffisances, savoir qu'il y a même ceux qui ont deux bourses et en même temps qui ont eu le matricule et qui touchent les salaires. Vous ne l'avez pas fait. Mais ça, c'est la faute du, du, ministère. Quand vous constatez qu'il y a un fonctionnaire qui bénéficie de trois revenus, mais ceux qui ont en charge l'atteinte de ce revenu-là. Ceux qui ont en charge euh, la bourse et la, fonction publique qui est censée savoir, et le ministère des Finances qui est censé savoir qui quel, euh, fonctionnaire devrait toucher son salaire et à partir de quand et la, bourse s'arrête quand Ils n'ont pas fait ce travail-là, donc ils doivent être responsables de cette situation. Ça veut dire que autant les, les, les euh, médecins, on leur part de responsabilité en refusant de rejoindre leur premier poste, puisque les textes sont clairs, on parle du premier poste. Quand tu refuses d'aller sur ton premier poste, après avoir signé un engagement, on suppose que vous êtes en faute. Mais de l'autre côté, quand vous n'êtes pas capable, vous, administration, de contrôler le bon fonctionnement de l'administration et vous imputer à celui qui en profite de votre euh, tard, de votre faiblesse, vous le, prenez comme euh, coupable. Je pense qu'il euh, y a des responsabilités à assumer. Vous avez 30, vous avez 30 secondes, Ousmane Sidoukou, pour, pour un peu pour faire des précisions les précisions, moi, c'est ce que j'ai dit. Je m'abstiendrai de, de verser dans cette euh, guerre d'intérêt. GAFA l'a si bien résumé. Les responsabilités sont à partager, dans cette affaire. Donc, vraiment, chacun se doit de s'assumer et euh, au finish, jouer sa partition. Messieurs, merci. Restez avec nous sur le studio Kalangou. Notre débat se poursuit dans une poignée de secondes. À présent, le troisième thème de notre débat de ce vendredi qui traite de la situation sécuritaire au plan national avec la récente attaque armée dans la commune de Banibangou qui a malheureusement endeuillé des familles et le forum de la paix organisé à Tawa. Euh, Gafar euh, du, journal L'Indépendant Plus, depuis quelques années, la région nord tilabéry est en proie à une insécurité grandissante avec des fréquentes incursions des bandes armées maliennes en territoire nigérien. Que faire euh, pour mieux sécuriser la zone Gafar pour mieux sécuriser cette zone, il est clair que le défi est là. Le défi, euh, ça veut dire que le Niger, quoi qu'on dise, a une responsabilité euh, dans le conflit du Nord Mali. Parce que quand on sait que nous partageons cette longue frontière et que toute tentative euh, d'allisement des conflits au Nord Mali, ça impacte sur nos populations. Ça veut dire que le Niger doit, doit euh, se sent automatiquement euh, impliqué. Mais en, en termes de, de, moi de là où je vois peut-être euh, les choses, c'est en termes de stratégie d'intervention. Quel serait, quel doit être le comportement des autorités nigériennes face à cette situation? D'abord, c'est mettre, puisque c'est un conflit aujourd'hui qui dépasse la frontière malienne, ça veut dire que euh, le Niger doit s'arrêter tout juste à, euh, de façon stratégique et militaire, à sécuriser ses frontières, à mettre plus de regards, à mettre plus de moyens à nos forces de défense et de sécurité dans ces zones de conflit. Aujourd'hui, nous, partageons pratiquement, on peut dire que le Niger est partagé dans des conflits. De l'autre côté, nous avons la Libye, nous avons le, Nigeria avec Boko Haram, et nous avons euh, le Mali, ça veut dire qu'on doit mettre assez de moyens. Mais avant ça, j'ai cru comprendre que dans la région de Tilaveri, on a laissé faire. Avant ce conflit euh, organisé en armée euh, belligérante au Nord Mali, il y avait ce genre de, de, de, des attaques avec de pertes en vue humaine. Mais là où ça n'a pas été, c'est que le Mali, avant même euh, le déclenchement de, la, de, cette rébellion, des hostilités euh, au Nord Mali, euh, moi, je, je, je, ne cesse de voir la responsabilité, la légèreté peut-être avec laquelle les, différents, les, différents, les différentes autorités maliennes et nigériennes ont pris en charge ce, ce, ce phénomène-là. À un certain moment, vous avez vu, c'est même les populations qui s'arment pour se protéger. Ça veut dire qu'on n'a pas mis on n'a pas mis les, moyens et peut-être les stratégies euh, pragmatiques qui puissent aboutir à une sorte de, sécurisation de population. Euh, avec la situation actuelle, il serait difficile. Donc, c'est de renforcer le contrôle au niveau des frontières. Ousmane Sidikou du groupe de presse euh, Labari, depuis quelques années, la région nord tilabéri est en proie à une insécurité grandissante euh, avec euh, des fréquentes incursions des bandes armées maliennes en territoire nigérien. Que faire pour mieux sécuriser la zone nord tilabéri eh, Merci Mokhtar. De prime abord, permettez-nous d'exprimer toute notre compassion ainsi que nos condoléances aux familles endeuillées euh, suite à cette attaque euh, dans la commune de Bani Bongo. Énième attaque. attaque. vous l'avez si bien dit, mais vous savez, on dit euh, si la barbe de ton voisin brûle, il faut arroser la tienne, car il est clair que cette récente attaque dans la commune de Bani Bongo, ce n'est qu'un lien de cause à effet. Et Gaff en a parlé, d'où la récurrente question de la porosité de nos frontières, mais aussi les dispositions prises pour sécuriser effectivement euh, euh, ses frontières. Vous savez, la région de Tilaberi, euh, cette attaque peut-être attirerait l'attention des uns et des autres car à un moment, euh, ce qui prévoit en ce moment dans la région de Difa a fait en sorte que euh, ce sérieux problème ou bien ce problème latent qui couvait depuis des années a été occulté. Mais qu'à cela ne tienne, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je crois que les conditions se doivent d'être créées. Euh, Diaf en a et boucher, moi je persisterai et j'ajouterai que ça s'impose que soit créée cette synergie entre États, c'est-à-dire entre autorités maliennes et nigériennes, pourquoi pas à travers euh, des patrouilles mixtes pour euh, dissuader ou bien euh, euh, empêcher toute velléité d'attaque de ces paisibles citoyens. L'un de l'autre, la population, quant à elle, loin que cela s'apparente à de la délation, doit pleinement coopérer. Car on a comme l'impression que cette population ne s'y met pas, car pour elle, quelque part, pas pour les excuser, mais il faut les comprendre. Pour elle, par exemple, en dénonçant, comme c'est des bandits armés qui maîtrisent tellement la zone, ils peuvent toutefois revenir à la charge, soit s'en prendre à eux ou bien à leur famille mais moi, je me dis que euh, il faut attaquer le mal à la racine. Euh, tout euh, sacrifice ou toute lutte a un prix et même si c'est le prix à payer, autant dénoncer tout comportement suspect. Mais toujours est-il que je crois que euh, la situation doit interpeller euh, euh, en premier lieu les autorités aussi bien maliennes que nigériennes et pourquoi pas réitérer ou bien relancer ces patrouilles mises qui, à un moment donné, ont porté leurs fruits, ne serait-ce qu'en réduisant quand même le nombre d'attaques, la fréquence des attaques propres à la région. Ousmane nous allons revenir vers vous, le temps de donner la parole à à Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus. Alors Jafar Maman, tout à l'heure, vous, vous, avez exhorté le gouvernement nigérien à mettre plus de moyens. Euh, alors, euh, est-ce que euh, le Niger a-t-il les moyens pour sa propre sécurité Oui, je pense que lorsqu'on parle de sécurité, il faut voir les choses à deux niveaux. Il y a le premier niveau où la gestion quotidienne de la sécurité, on peut dire que euh, le Niger, oui, a les moyens quotidiens, le moyen de la gestion quotidienne de la sécurité. Maintenant, il faut voir la nouvelle donne. C'est la gestion de la, de, euh, de la sécurité euh, dans le contexte des mouvements terroristes et des, mouvements armés. Et là, le Niger n'a pas le moyen de sa politique. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous apprends rien, c'est l'actualité au quotidien. Vous voyez que même les grandes puissances, même ceux qui ont un budget qui dépasse celui de l'État du Niger, versé dans, la gestion de leur sécurité, n'arrivent pas à circonscrire les velléités euh, des attaques, les velléités terroristes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut, aujourd'hui, euh, il faut aller vers euh, les moyens adaptés à la situation. C'est quoi les moyens adaptés Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une sorte de synergie d'action dans la gestion. Quand vous prenez, euh, je parlais tantôt de ces trois foyers, le Mali, euh, on partage une longue frontière. Rapidement. oui, rapidement. On partage une longue frontière. Vous avez le, le, Nigeria avec Boko Haram et euh, un peu le Tchad. Aujourd'hui, et on ne peut pas, il n'y a aucun pays qui peut sécuriser son territoire tant qu'il n'y a pas cette mutualité d'action. De, Et aujourd'hui, la difficulté des, États africains, c'est de coopérer. On s'engage à travers des, conventions, mais en réalité, sur le terrain, les moyens ne pas. Sur le terrain, il n'y a pas les stratégies nécessaires. Eh, Ousmane Sidikou du groupe de presse euh, Labari, le Niger a-t-il les moyens pour sa propre sécurité eh, vous savez, eh, je rebondirai sur les derniers propos de Diaf, là où il parle de mutualisation et de coopération entre États pour euh, faire face à, ce cet ennemi commun que sont les terroristes. Mais toujours est-il que, vous savez, eh, la guerre, ça implique des coûts, des moyens aussi bien financiers, humains et tout ce qui s'ensuit. Donc, euh, le Niger en a les moyens ou pas, mais toujours est-il que, j'en sais rien, mais je sais qu'il a l'obligation, l'obligation d'assurer la protection des personnes, sécuriser leur lieu. Donc, vraiment, il n'a d'autre choix que de créer les conditions neutres qu'à travers cette synergie-là pour effectivement mener cette lutte sans merci. Euh, un forum a eu lieu au même moment où il y avait les négociations entre les groupes armés maliens ici à la primature. Il y a un forum qui a eu lieu à Tawa. Euh, pourquoi un forum pour la paix à Tawa question à question à 1000 dollars, ça remet sur le tapis la nécessité ou même l'utilité de ces forums. On a comme l'impression que ce sont des, des causeries ou bien des copinages qui sont faits, euh, une façon de se carotter dessous. Et la preuve, vous avez vu, euh, paradoxalement ou bizarrement, c'est quand se tient ces forums que euh, ces terroristes euh, font parler d'eux. Soit euh, on n'implique pas tous les acteurs, soit on fait semblant de, de, de, de, de fumer le calumet de la paix l'un de l'autre. Moi, je trouve que ces forums n'ont nullement pas leur raison d'être, ou bien c'est de trouver les mécanismes pour effectivement créer ce cadre-là voulu et souhaité par tous les acteurs, où ces mêmes acteurs vont se retrouver pour que finish, chacun se sente lié par les accords qui en seront issus de l'Indépendant Plus. Euh, pourquoi un forum pour la paix à Tawa euh, je pense que quand on dit un forum de la paix à Tawa on, fait un lien avec la régionalisation et la, de, de, conflits. Rapidement. Oui, de, On voit qu'on va vers Tawa, on va vers un peu le nord. Mais il se que ce, ce, forum-là euh, soit tenu à Agadez, c'est toujours la bienvenue. Mais ce que je condéplore, c'est l'usage des, des conclusions de ce forum-là. C'est vrai, c'est des fois des forums qui ont des, euh, qui ont vocations à justifier des, financements, mais c'est l'usage qu'on fait de ces réflexions-là. Aujourd'hui, même dans les rencontres, vous savez que depuis 90, il y a, il y a une rencontre euh, euh, qui regroupe l'Algérie, le, la Libye, le Niger, la Tunisie et tous ces pays africains et le Maghreb pour réfléchir sur la mutualisation de, de, de, de, renseignements, le partage de renseignements pour, pour pouvoir contrôler le désert nigérien et le, le, désert, du moins c'est le Sahara et, et, nos frontières. Mais malheureusement, on constate que plus on fait de sommets, plus il y a de conflits. Ça veut dire que les, les conclusions ici de ces rencontres-là, issues de ce forum-là, ne sont pas prises, ne sont pas concrétisées. Et c'est là le problème. Parlons à présent du terrorisme international avec l'attaque sanglante de Nice en France et le coup d'État euh, euh, déjoué en Turquie. Mais avant, suivons à présent l'ambassadeur de Turquie au Niger qui était ce matin face à la presse nationale et internationale. Le peuple civil ont été tués. La police ont été bombardée par les avions et par euh, les hélicoptères qui ont été pris par les auteurs du coup d'État. Alors, euh, pour se débarrasser les opposants, parce que qu'un président qui a été élu avec une majorité, la réaction euh, du peuple, pas seulement les euh, gens qui soutiennent le parti au pouvoir, ou bien le président Erdogan, mais aussi les social-démocrates, les nationalistes, etc., ils ont été dans la rue pour soutenir le régime démocratique. Pour cette raison, c'était nécessaire de prendre les mesures nécessaires. Pour euh, les auteurs de tentatives de coup d'État, plusieurs juges ont été déjà écrits dans une liste. Après, si le, le coup d'État est achevé, ils seront les juges dans le cours euh, militaire. Il faut comprendre la menace directe, imminente vers le régime démocratique élu par le peuple turc. Pour cette raison, il faut bien comprendre. C'est une réaction normale dans le cadre de l'état de droit. La Turquie est longtemps considérée comme étant le rempart contre le terrorisme en Europe. Jafar Maman du journal Indépendant Plus, quel commentaire cela suscite en vous Oui, euh, il faut comprendre que euh, ça, ne peut qu'être les velléités de, la gestion de la crise euh, entre la Russie, le, monde occidental du monde, via la Turquie et certains pays de la région, de la gestion de la guerre, de la guerre en Syrie. Mais quand vous prenez, euh, moi je suis pas d'accord, euh, je suis parfaitement contre le coup d'État. Je, je ne saurais accepter qu'il y ait un coup d'État dans une démocratie. Mais la gestion, je pense qu'on est, on est en train de constater une grave violation des droits de l'homme dans la gestion de l'après-tentative de coup d'État. Parce que de la situation actuelle, c'est vrai, l'état des droits dont parle euh, l'ambassadeur a défini un certain nombre de, de, mesures pour sanctionner ces genre d'actes. Mais quand on constate ce qui est en train de se passer, où c'est des, civils, on, on laisse les militaires, les agents de sécurité à la vindicte populaire, je ne pense pas qu'on puisse rendre service à la démocratie. Ça veut dire qu'il faut gérer l'après tentative de coup d'État avec assez de raison, avec moins de passion et en ayant un esprit sur les droits de l'homme. L'attaque sanglante de en France euh, je, vous ai dit quand, je vous ai dit quand je parlais de, la gestion de la sécurité dans le contexte moderne des de terrorisme, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, la lutte contre le terrorisme, la sécurité porte un coup. Quand on sait qu'aujourd'hui, on utilise même les moyens le plus inimaginables pour euh, faire ce genre de crime, ça veut dire que on doit mettre plus d'énergie plus de réflexion et plus de moyens dans la gestion de la Ousmane du coup, de coup de jouer en Turquie. Euh, c'est vrai, Mokhtar, le tien vous tenez à la gorge. Euh, de facto, je dirais que je ne suis nullement pour, euh, contre, pour un renversement d'un régime démocratique, mais au regard des événements qui ont cours en ce moment en Turquie, on a comme l'impression c'est que c'est un règlement de compte que le président Erdogan est en train d'opérer, vu le nombre d'arrestations dans les rangs de l'opposition, les militaires, les juges, la société civile. Moi, je me dis que c'est le prétexte qui est donné pour, pour, pour, pouvoir régler des comptes politiques à ceux qui ne sont pas euh, du même bord. Une purge qui est en train d'être opéré, les propos de l'ambassadeur turc valent ce qu'ils valent, mais je dis, je dis et je le répète, quelque part c'est un signal fort qui est donné à Erdogan, bien qu'il soit sauvé à travers la riposte du peuple. Pour rebondir directement sur les attentats euh, de Nice, nous ne pouvons que condamner euh, ces attentats. Euh, de cœur et d'esprit, nous le sommes avec ces familles meurtries et endeuillées, mais de l'autre part, il ne faudrait pas que l'occasion soit donnée pour, pour pouvoir s'en prendre à tous ceux qui seraient amenés à être euh, soit de la même religion ou bien de la même euh, euh, ethnie du tueur présumé. Merci, messieurs. On poursuit ce forum dans un instant. Alors notre quatrième et dernier thème de ce forum traite de ce constat général. Il s'agit du silence de l'opposition politique nigérienne. Est-ce, Jafar euh, du journal Indépendant Plus, est-ce un calme avant la tempête bah, euh, je pense que euh, les positions et les uns, on suppose qu'il y a une sorte d'accalmie, même si on a constaté que l'opposition depuis un certain temps a, a reversé, a orienté son, rapidement, oui, justement, a orienté ses actions vers euh, l'opposition parlementaire et il saisit sur les occasions les plus ordinaires, notamment dans les sessions pour, pour agir ou même pour boycotter. Ça veut dire que euh, ont recadré leur manière de lutte euh, quand on sait que, bon, jusqu'à présent, ils n'ont pas donné le motif de ce silence et peut-être... Euh, Faiblesse ou stratégie euh, Oui, chez les politiciens, ça a tout son... Ça a tout son présent. Ça peut être une stratégie lorsque eux-mêmes ils ne parlent pas pour que pour, pour laisser les Nigériens voir les réalités de, de la gestion c'est à vous d'apprécier, de critiquer et nous on rebondit, ou soit une faiblesse parce que bon, on estime qu'on est en train de se réorganiser, on n'a pas le moyen d'affronter le pouvoir. c'est du coup le silence de l'opposition politique nigérienne, est-ce un calme avant la tempête Silence coupable, diront certains, stratégie pour d'autres, démission pour euh, les radicaux, l'un de l'autre, euh, bon, peu importe les superlatifs <laughs> ou les qualificatifs, mais toujours est-il que en ce moment, euh, silence, pardon, ce silence de l'opposition euh, fait, inquiéter, les uns et les autres, ce qui fait dire que euh, peut-être pour certains, c'est une stratégie, le pouvoir au regard des clignotants ou bien de la situation de cette morosité économique, l'opposition laisse le pouvoir euh, s'essouffler pour que à la dernière minute, elle fasse sortir sa cartouche. L'un de l'autre, à la politique, tous les coups étant permis, il faut s'attendre à tout moment à, un rebondissement de l'opposition ou bien du, du pouvoir. Voilà, nous sommes au terme de ce nouveau forum studio Nous étions avec euh, Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus, euh, Ousmane Sidikou du groupe de presse euh, Labari. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre constante fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous lundi, même heure, même fréquence. Merci, au revoir.